C'est des trophées de Aïcha Maki qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais beaucoup pour l'État parce que on l'a toujours dit sur différentes émissions en cherchant à interpeller la jeunesse et dire qu'est-ce que l'État a fait pour moi. Cherchons d'avoir à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'État. L'État, c'est nous tous aujourd'hui qui fait la fierté du Niger. Aïcha Maki. On a eu un peu le parcours en question, le cursus scolaire. Le cinéma en toi s'est réveillé à quel moment de ta vie Bon, euh, peut-être avant de parler du cinéma, il faut parler d'abord de l'art dans sa globalité. L'art En fait, j'ai grandi sur scène, moi. Grandi sur scène Oui. En quoi faisant Kabundgani Non, parce oh. que la première fois que je suis allée sur scène, j'avais 6 ans. 6 ans J'ai interprété une chanson qu'avait euh, écrite euh, Fé Issa Sherif ah. et qui cherchait une voix portaise qui allait porter le message de la jeunesse de la région des Anders ah, en présence du président Fé Ali Seibou. Elle est née artiste, mesdames et messieurs. Elle ne force absolument rien. À l'âge déjà de 6 ans, comme Sylvette Leblanc qui aussi a commencé à 9 ans, Aïcha Maki a commencé là. C'était quoi l'interprétation C'était une chanson qui était dédiée à la jeunesse scolaire de la région des Anders qui s'appelle Zender, région de mon enfance. On coupe le son. J'ai envie d'avoir cela sur cette émission. Ah c'est important. Okay. Le début de l'artiste. Pour qu'on découvre aussi un autre côté de Aïcha. C'est ça la mission mm. de cette émission. Zender, région de mon enfance, c'est toi qui m'as vu grandir. Apprends-moi ton histoire. Et quand je saurai cette histoire, j'irai dans la forêt Juré dans la savane, raconter ton histoire. Elle est venue à Niamey, en pleine ville, la capitale du Niger, pour raconter l'histoire de Zender. Le film qui est d'actualité, mesdames et messieurs, c'est une promesse de 6 ans. Donc depuis ces 6 ans, elle a déjà appris l'histoire de Zender. Elle a raconté l'histoire de Zender via Karakara. Je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Merci. Tu as commencé en quelle année Avec quel film il faut le dire, le tout premier film que je fais, euh, c'était à C'est un film qui s'intitule Moi et ma maigreur pour évoquer la question du gavage qui font les femmes. Oui. Après celui-là, je fais un deuxième qui a sanctionné mon Master D. Lui, ça s'appelle Savoir faire le lit, qui est aussi un prétexte pour évoquer la question de l'éducation sexuelle. Après, je fais Arbre sans fruits, parce que là, c'était un autoportrait. J'ai évoqué la question des histoires croisées, deux histoires, celle de ma mère qui est décédée en couche, c'est-à-dire en donnant la vie, et la mienne qui était une femme au foyer qui n'arrivait pas à donner la vie. Donc ça, c'était l'arbre sans fruits et le tout dernier Le nouveau né il y a un an, bientôt c'est Zender. Parlons de Zender, Aïcha. Zender, euh, d'abord, il faut le retenir, c'est le nom de ma ville natale. D'accord. Cette ville, c'est la malle qui contient tous les souvenirs de mon enfance. Je suis né, j'ai grandi là-bas comme un havre de paix. C'est une ode pour moi, pour la jeunesse des Zender, mais au-delà, parce qu'il parle des mots qui minent la jeunesse dans sa globalité. Et Zender, pourquoi les titres Certes, j'ai filmé à Karakara, qui a une histoire, qui est un quartier, qui a été créé à l'époque village dans les années 70 pour écaser des gens malades de la lèpre. C'était pas que des gens des Zender, mais un peu partout qui était une politique étatique qui a tourné au drame, qui avait pendu cela. Et moi, j'ai donné le titre Zender au lieu de Caracara pour casser les stigmates. Cette histoire des frontières qu'il y a entre la ville dite saine et la ville malade, en disant c'est eux, c'est nous. Donc les je préjugés, les clichés. Les préjugés, les clichés. J'ai dit Caracara, c'est Zender. On fait un film, ça s'appelle tout simplement Zender parce qu'on parle des mots qui minent la jeunesse de cette ville. Parlons, euh, achat des trophées de l'artiste. En fait, quand on parle de distinction, euh, il y a les trophées, mhm. il y a aussi des mentions. Ok... Parce que même une mention, c'est un prix. Bien sûr. Donc, à la date d'aujourd'hui, euh, on peut dire que Zender, il a une vingtaine de prix à l'international, dont particulièrement certains prix que je vais évoquer. Ok... Chaque prix vaut quelque chose. Mhm. Mais il y a trois particulièrement qui ont pris mon attention. C'est le trophée de la femme ambassadrice de la paix qui a été décerné par l'AFD. L'AFD. Il y a celui de la meilleure euh, réalisatrice de la CDAO. Et dernièrement en Suisse, Zender a reçu le prix de la critique. Et c'était euh, sept critiques suisses qui ont regardé les films et à l'unanimité ils ont dit Parmi tant de films, c'est celui-là qu'on choisit pour avoir ce prix-là. Merci Aïcha Maki pour tout ce que tu fais pour le Niger. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un message à l'endroit des jeunes de Karakara, spécialement. Spécialement, Sakona Gazuaga Matasan Karakara. musamman wanda suka yarda suka bani haɗin gwiwa de yi wannan fim ɗin ina so in gaya muku abu guda kak yarda a kwatanta muku da bakku iya zama wata tsiya wata rana ni da na fin kin bisan ku ban ɗara ku da komai ba ina so ku sani lalle na yi boko amma ba boko kaɗai yake sa ka zama wata tsiya ba na san da yawa daga cikin ku kuna ɗaga ƙarhi ɗaga ƙarhi yana iya kai ku nesa saboda yau mun ga iron baby na burkina faso ina fatan wata rana a ku zan ga wani guda ya garze wanda za a ce yau ya daga tutan nijar dalilin sunan daga karhe ba dan a daga ba a yi tashin hankali dan a daga ya zama sport kuma ya zamanto abu ne wanda wata ranar zai haskaka unguwarku ta fitar da kangi ainsi parle la fille de Zender. Et eh,